Le badminton est une euh, discipline, c'est un jeu de raquette, c'est-à-dire qu'il se joue. D'abord, elle se joue, c'est-à-dire en cinq épreuves. Elle se joue en simple homme, en simple dame, en double homme, en double femme et en mix. Tout ça là, ce c'est pas technique hein? C'est pas du tout technique, c'est un sport de, raquette et de filet. C'est-à-dire, de part et d'autre, on peut avoir, c'est-à-dire, une femme de l'autre côté, une femme de, euh, de l'autre côté également. Et pareillement également pour les hommes. Donc deux femmes peuvent jouer également contre deux femmes et deux hommes peuvent jouer également contre deux hommes. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire un simple homme, simple, euh, simple dame, double homme, double C'est ce que je voulais dire par là. Ablay Hassan, comment ça se pratique euh, sur le terrain euh, là, techniquement, ça veut dire chacun essaie de garder le volant aussi longtemps que possible, ou bien le faire tomber. Dès que tu arrives, ça à faire tomber le, le volant dans le camp adverse, ça veut dire que tu as marqué déjà un point. Et ça se joue, c'est-à-dire euh, euh, à l'image euh, quand même du tennis, en fait du ping-pong, et un peu à l'image quand même du tennis, du tennis lent. Mais ils ont quand même, c'est-à-dire il y a les, comment on appelle ça, les techniques de jeu et même quand même les surfaces de jeu qui sont aussi un peu quand même différentes. Abla avez-vous l'habitude de participer aux instances internationales oui, après, euh, je dois d'abord dire que notre fédération, en fait, est une jeune fédération, bien que nous sommes à notre deuxième mandat. Donc, je dois d'abord dire que notre fédération a été créée euh, d'abord euh, en 2014. En 2015 déjà, on a eu notre délégation du pouvoir, en tout cas du ministère en charge des sports. Et depuis lors, en fait, notre fédération euh, n'a pas cessé quand même de faire un peu le plaidoyer pour pouvoir s'affilier au niveau des instances internationales. C'est pourquoi déjà, déjà en 2016, nous nous sommes quand même battus pour avoir notre affiliation auprès de la Fédération internationale de badminton, puis auprès quand même de la Confédération africaine de badminton il y a un programme qu'on appelle le programme Shuttle Time. Le programme Shuttle Time, c'est quoi C'est un programme de la Fédération internationale de badminton qui vise à faire la promotion de ce sport dans les établissements scolaires. Donc, dans le cadre de ce programme, nous avons eu à former plus de 35 enseignants. Ça, à dire c'est une formation des formateurs. Et ça, c'est un expert qui est venu, en fait, ça à dire de la Fédération internationale, qui est venu quand même les former. Ces enseignants formés ont, euh, devraient également aller dans les écoles pour former également les élèves. Nous avons mené des, euh, aussi, c'est-à-dire euh, une offensive au niveau quand même, ou du moins un plaidoyer au niveau auprès de la Fédération internationale pour avoir quand même un nombre important de matériel actuellement qui nous permet de faire la promotion de ce sport sur l'étendue du territoire national. Ça, c'est extrêmement important. Donc, entre autres également, nous avons eu à participer à plusieurs compétitions, pour répondre maintenant à votre question, à plusieurs compétitions à l'international. Je me souviens déjà, en 2017, nous étions au Bénin pour participer, pour euh, en tout cas euh, compétir aux internationaux du Bénin. Ça, c'était en 2017. On était également au Burkina Faso, également pour euh, prendre part aussi, c'est-à-dire euh, aux, compétitions francophones des moins de 15 ans. Et tout récemment, on était également à Abidjan pour prendre part également aux compétitions des jeunes. cest c'est le tournoi francophone des moins de, moins de 14 ans, couplé au championnat d'Afrique. Donc vous voyez que vraiment il y a quelque part des efforts qui sont également en train d'être faits pour quand même essayer quand même de promouvoir cette discipline